loo xam ne nii nag tey jii bu dalee Sénégal mën a gaañ Sénégal ñun Sénégal yëpp a ci war a ànd jubo bokk ndey bokk baay dañuy wax ne tey jii bu Sénégal soxla kenn bëggatul dara ñëpp ñoo war a ànd boole suñu doole doole ji nag boole ko mooy def li président def tey jii ñu nit ñu nit ñu génne fii def ko ak askan bi ñu àndal ak Sénégal yëpp pour que ñun ñëpp ñu ànd xeex li nga xam ne nii mooy jàngoro ji jàngoro ji nag xeex ko mooy lii ci autorité sanitaire yi wax gouvernement bi wax ko àdduna bi wax ko mooy jël ay matuwaay parce que nag bu ñu jëlee suñu ay matuwaay fagaru yàlla mën a def feebar bi bañ a daan Sénégal nañu fexe donc ba daan feebar bi te buñ ci jógee Sénégal gën a am doole Sénégal gën a yëkkatiku ndaxte Sénégal rek moo am solo xeexal Sénégal rek moo am solo kon nag nu Sénégalais yépp ànd bokk ndey bokk bàyyi ñu ànd liggéey pour xeex bi jóge biir réew mi ba pare jóge aussi ci àdduna bi yépp pour jàmm mën a dellu ci askan bi pour que ñu mën a liggéey suñu réew ci anam ñu gën a rafet. Euh, lii président bëgg moom le Sénégal yëpp bëgg te je crois que euh, bu ngeen seetloo sax euh, ci début jàngoro ba léegi bureau politique grand parti lu bëri wax na ko ci. ba ñaan nañ président sax mu décréter état d'urgence sanitaire et waxoon nañ aussi ne nañu fexe ba doole réew mi yépp jël ko teg ko ci loxo président de la république pour que moom eh, mu fexe ba feebar bi gën a eh, néew Sénégal bu fekkente ne aussi dugg na fi ba pare. et loolu moo tax tey jii eh, loi d'habilitation bi nga xam ne nii dañ ko war a voté assemblée nationale bu neexee yàlla du ma jógee fii grand parti parti démocrate la dinaa woote réunion rapidement te réunion bi sax xam nga mënu nekk réunion comme réunion habituelle mais dinaa consulter les membres du bureau politique pour que li nga xamné ni mom le président bëgg moy assemblée voter ko loi d'habilitation boobu pour que grand parti aussi voter ko bu neexee yàlla ak yoon tamit te gëm na ne instance parti bi dañ ci d'accord mais au-delà de cela sax eh, da fekk ni grand parti am nañu ay experts yo xamné ni ku docteur Georges Diouf bi nga xamné ni spécialiste le des maladies tropicales et infectieuses mom ak ñi andal ñom ñoom ñëpp dinañ ñaan président de la République mu duggal leen ci comité bi nga xamné ni mi ngi xex tay ji jangoro ji ci réew mi ba pare aussi xalé grand parti dañu lancer initiative bu nga xamné ni dañu bëgg jël xalé ndaw réew yépp ñu bokk sen boori sen doolé and ak madame la ministre de la jeunesse pour que ñom ñu and xex li nga xamné mo jangoro jàngoro ji pour que xalé yi réew mi taxaw bokk ndey bokk bay taxaw bu bu ëllëgé lépp lu nga xamné ni loolu ñu soxla ci mobilisation jeunesse bi bu ko personnel médical bi soxla ñu mëna taxaw ci gox goxaan yépp jappalenté ba xex bi mëna am solo ba yàlla def ba li nga xam ne moom ni Sénégal soxla mooy xeex coronavirus ba mu jógee ci réew mi yàlla ma ci dam kon nag mën nañu am njort bu rafet ne bu neexee yàlla eh, eh, député grand parti yi nga xam ne parce que xam ngeen ne grand parti am na ñetti député assemblée nationale et eh, bu neexee yàlla loi bi nga xam ne moom la président soxla daañu ko voté ndaxte voté ko mooy défendre Sénégal voté ko mooy jàppale Sénégal voté ko mooy sauver Sénégal ndaxte bu ñu sauver Sénégal ci jamono yi ëllëgee histoire bi dinañu ko laaj ak future génération dinañu ko laaj loolu moo tax mbooloo mooy doole yàlla na yàlla saxal mbooloo ci biir réew mi ba Sénégal am dam ci li nga xam ne nii mooy épreuve bi ñuy dund tey ci coronavirus